résultat yi mën naa juum mais dama jàpp ni ñun ñëpp ñu fi ñëw Thierno ak maire moo ñu fi indi te ñoom la ñuy defal. parce que ñun ñaan ko mu jóg pour organiser rek pour defar. bu ñu yëgee ba wàcc ñoo tege te loolu bu amee parce que dafa am koo xam ne nga xam ne mbir mi xëy na mën naa jafe mais dañoo bëgg defar. Barra, barra. tempat Alhamdulillah. أكبر الله أكبر الله أكبر Dale,

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون muy sëtub Cheikh Sidi Hadj Malick réew maa ngi nii de damay faral di wax merci le maire Oumar Mané Je ne peux pas te saluer, je ne peux pas te remercier, parce que vous êtes de la famille. ouf, n'est fort Qui tout de m'a c'est pas le maire sur le tout de tout mais El Mais elle tout de c'est que nit lu lu xaw a réerantoo nekk na maire doom kat même la ah, mère. non c'est pas la mère. c'est Omar Maane le ñu qui, qui te dit de Omar c'est pas le maire. Si tu es le président de la République, c'est pas le président qu'on a mon le Mais il y a une relation, mon mat maire, il y a le cas, il y a le bel souhait. D'ailleurs, il y a Espagne qui dessous Tcherno. Lu Tcherno xewle kenn du ko fa jiit. Donc grand jërëjëf. Di nuyu bu baax Serigne Moustapha Mbacké. C'est bi fierté nga si sëti Serigne Touba ci tund yi

en ne lui présentant pas les condoléances du décès de son père, est-ce que j'ai le droit de dire la jointe au maire de Sangalkam ici présent Mais je vous présente mes excuses. Par humilité, je vous présente mes excuses et vous présente l'ensemble des personnes qui sont là. On partage beaucoup de choses. La photo dafa tolloog Thierno man dama ne ak moom te ki ne ki pas que rek du may. ma bëgg a wutiwaat beneen bàyyi loolu rek mooy suñu différent man moom ah ah non ne le ministre ne le ministre mooy bàyyam man ak ren foofu diggante boobu nag foofu la dina ci am ah. adjoint au maire de la commune de C'est des collectivités territoriales inséparables. Que ça soit administratif, oui, mais les cœurs restent toujours les cœurs. Les cœurs restent toujours les cœurs.